Qu'est-ce qui vous a donné envie Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire euh, le premier livre, Frontières des sables, Frontières des Papiers, et maintenant euh, le deuxième qui est euh, Des pays au crépuscule Alors le, le premier, c'est venu de, du fait que sur la question des frontières africaines, euh, c'était un sujet dont tout le monde parlait. On parlait tout le temps de l'artificialité des frontières, comment les frontières avaient été tracées à la règle et au crayon. Mais finalement, il y avait très peu d'historiens qui avaient été regarder concrètement comment ça s'était passé sur le terrain. C'est-à-dire pas uniquement en Europe, mais aussi en Afrique, qui étaient les souverains qui étaient en face des militaires français, qui avaient parlé avec eux, qui avaient demandé à négocier, à faire bouger les frontières. Et donc euh, euh, le, projet de la thèse, c'était d'aller voir aussi le côté africain, c'est-à-dire comment euh, sur place les gens avaient vécu le fait qu'on trace ces frontières dans ces pays-là. Et ce qui, est, ce qui a été frappant dans cette recherche sur les frontières, c'est que je me suis rendu compte que ce qui avait déterminé la formation d'un grand nombre des frontières du Niger était beaucoup plus lié au djihad de Sokoto, qui avait eu lieu un siècle avant la colonisation, qui avait complètement reconfiguré la région et qui avait construit notamment un front entre ce qui est aujourd'hui le Niger et ce qui est le, Nigeria, que finalement la colonisation. Pour le, ce nouveau livre, Des pays au crépuscule, euh, les choses se sont jouées un peu pareilles, c'est-à-dire que on parle toujours de la conquête, on dit euh, la, colonisation est arrivée, mais je voulais regarder vraiment concrètement, au jour le jour, comment ça s'était passé. Parce que, pour vous donner une idée, euh, le nombre de militaires français qui arrivent au moment de la colonisation au Niger, c'est environ 80 militaires, 500 ailleurs sénégalais, pour un territoire qui fait deux fois la France, pour un territoire immense, comment concrètement ça s'est passé Comment un si petit nombre d'hommes a pu réussir à prendre le contrôle d'États puissants, puisque j'étudie euh, l'État de Zinder et euh, l'État du sultanat de l'Aïr. Ma deuxième question donc serait euh, présenter donc le livre actuel des pays au crépuscule en 30 secondes. Alors c'est un livre qui cherche à reconstituer comment a commencé la colonisation, comment s'est construit la domination coloniale, en cherchant tous les points de vue qui étaient alors en présence. Ça veut dire que j'ai analysé aussi bien des archives coloniales, évidemment, notamment celles qui sont aux archives nationales à Niamey, mais j'ai aussi cherché à retrouver euh, des voix africaines et des points de vue qui viennent d'ici pour euh, comprendre ce qui s'était passé. Donc j'ai utilisé des documents en Haoussa, j'ai utilisé des documents en Kanuri et aussi euh, des documents en arabe, des manuscrits, des chansons, des récits épiques en Haoussa notamment et en Kanuri qui racontaient l'arrivée des militaires français mais du point de vue des sociétés de Zinder et d'Agadez. Vous avez évoqué dans votre livre euh, votre lien avec le professeur euh, Jibo Amani alors euh, j'ai dédié ce livre euh, à, celui que j'ai appelé mon maître, euh, Amani, parce que il a vraiment été, je pense que c'est celui qui m'a le plus appris sur l'histoire de cette région et même sur comment faire l'histoire de l'Afrique. C'est un des premiers professeurs que j'ai rencontré quand je suis arrivée au Niger en 2001, donc il y a 20 ans. Et il m'a vraiment, dès le départ, alors que <laughs> mon sujet de maîtrise, beaucoup de professeurs ici m'avaient dit que mon sujet n'avait aucun intérêt. <laughs> je travaillais sur Agadez à l'époque. Et, le sujet de, maîtrise, c'était c'était la frontière entre l'Algérie et, le Niger. Et les gens me disaient, mais ça, on s'en fiche ici, ça n'a aucun intérêt. Et lui, tout de suite, il m'a dit, ce qui serait intéressant, c'est d'aller à Agadez, aller voir un tel, il va vous guider. Il m'a vraiment appris aussi qui aller voir, à qui poser des questions. Et ensuite, c'est lui qui m'a poussé, par exemple, à, apprendre le Haoussa. Euh, c'est lui qui m'a dit, après <laughs> la fin de ma maîtrise, il m'a dit, maintenant, c'est bien gentil, mais <laughs> si, si, vous voulez continuer, il va falloir apprendre apprendre les langues locales parce que sinon vous allez rien comprendre. <laughs> c'est lui ensuite qui m'a poussé aussi vers les documents en arabe en me disant il y a beaucoup de documents, il faut aller lire, vous pouvez apprendre même toute seule. Et donc c'est vraiment lui qui m'a poussé dans toujours plus loin pour essayer de mieux comprendre aussi cette histoire du point de vue euh, des sociétés euh, du Sahara et du Sahel et je lui en suis immensément reconnaissante. La suivante, j'avais lu un passage euh, dans votre livre des pays au crépuscule, un passage donc qui il parlait donc de la colonisation, qui, donnait un peu les points sur lesquels la colonisation s'était donc appuyée. Alors euh, effectivement, euh, ce qui est important pour comprendre ce moment de la colonisation, comme je vous ai dit, les militaires français étaient très peu nombreux. Donc, par contre, ils avaient des armes qui étaient techniquement supérieures à celles qu'avaient les gens dans la population ici, dans ce qui est aujourd'hui euh, le Niger. Notamment parce qu'ils avaient euh, des fusils à tir très rapide, alors que quelques personnes avaient des fusils, notamment à Zinder et quelques Kalewei dans la région d'Agadez. Mais ils avaient des fusils qui ne tiraient qu'une seule fois, soit des fusils à pierre, qui avaient des très courtes portées. Et donc, euh, la première chose qui a fait que la colonisation a pu s'imposer, c'est la supériorité militaire. Notamment parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle des tirs de salve, donc ils se mettaient en ligne et ils tiraient et tout d'un coup ils pouvaient tuer 100 personnes. Et ça, ça a énormément impressionné les gens ici et ça les a euh, terrifiés. Mais ça suffit pas. On peut prendre une ville uniquement par la force, mais on peut pas réussir à, se maintenir dans une ville simplement en utilisant des fusils. Pour ça, il faut autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait Effectivement, la, colonisation est vraiment fondée sur les discours. Et vous avez tout à fait raison, elle est fondée sur deux types de discours. Un discours qu'on tient en France, en Europe, dans le pays euh, euh, qui vous envoie, qui paye les soldats, où là, on va dire effectivement, on va apporter la civilisation, euh, ces gens-là ont besoin de nous pour différentes raisons, ça sera la grandeur de la France qui va être valorisée, mais on a aussi besoin de tenir un discours aux gens qu'on cherche à occuper, à dominer. Et ce discours-là, il va être différent et il va s'appuyer notamment sur le fait que ces sociétés, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, étaient très inégalitaires, avec euh, euh, une partie de gens, on va dire, nobles, qui avaient beaucoup de moyens, qui étaient riches, et une large partie de la population qui avait très peu, sur lesquels on percevait beaucoup d'impôts et surtout aussi beaucoup d'esclaves. Euh, on est dans des sociétés où l'esclavage était très important à ce moment-là. Concrètement, les militaires coloniaux vont dire aux gens qu'ils vont les libérer de l'esclavage, vont dire aux gens l'impôt sera le même pour tous, qu'à partir de maintenant l'impôt sera plus juste, ce qui dans les faits ne sera jamais vrai. Ils n'aboliront jamais l'esclavage et ils continueront à percevoir des impôts euh, exorbitants sur les populations, plus des et ainsi de suite. Mais ils vont tenir un discours qui va d'une certaine manière convaincre les gens que peut-être leur vie va s'améliorer. Et dernier élément, vous l'avez dit, ils vont s'appuyer au sein de ces sociétés sur les gens qui peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. Et ces gens-là, ça va notamment être les esclaves de cour, donc des gens qui sont des, esclaves, qui sont des biens de leur maître, mais qui en même temps pouvaient être très importants dans la royauté de Zinder ou dans la royauté d'Agadès. Des gens qui pouvaient posséder eux-mêmes des esclaves, qui pouvaient conduire une armée, qui pouvaient être des ministres et qui en même temps pouvaient être revendus du jour au lendemain. Ces gens-là, ils se sont dit on a tout à gagner si ces gens-là nous libèrent parce qu'on restera riche mais cette fois on sera plus des esclaves. Et effectivement, je suis d'accord qu'il y a une partie de tout ce que je viens de dire qui se rejoue encore aujourd'hui euh, on tient des discours aux gens, euh, y compris en France, en leur disant euh, on va aider ces pays, la sécurité de la France dépend de ce qui se passe au Niger. Il faut avoir conscience effectivement que ce sont des discours, des discours qui servent d'abord les militaires dans leur propre intérêt et, qui servent parfois ici aussi sur place à certaines personnes pour asseoir leur pouvoir. Vous avez également donc souligné l'importance de l'utilisation des mots dans la communication, dans le langage aujourd'hui. Ce que je voulais souligner, qui est très important en France, mais que je pense on peut penser aussi ici, c'est que quand on parle de la colonisation en France, on a encore tendance à utiliser des mots qui sont les mots que les colonisateurs utilisaient eux-mêmes. On parle de conquête, par exemple, mais la conquête, ça a des valeurs positives en français. C'est quelque chose d'héroïque. Quand on va pour conquérir, c'est qu'on est fort, c'est que ce qu'on fait est bien. Pour moi, je pense qu'il faut se débarrasser de ce type de mots qui donnent à quelque chose qui était quelque chose d'horrible, la colonisation, des valeurs positives, et qu'il faut prendre des mots qui sont plus liés à la réalité de ce que c'était. En parlant d'occupation ou d'invasion, on rend qu'est-ce que c'était comme réalité C'est une armée étrangère qui arrive dans euh, un pays et qui prend le pouvoir sur des États qui existent déjà, qui leur prend toutes leurs prérogatives. De la même manière, la manière dont on voit les sociétés africaines en Europe est encore très souvent marquée par des préjugés racistes, euh, il faut le dire. Hein. Et quand on parle des sociétés africaines, on a tendance à utiliser des mots qu'on n'utilise que pour ces sociétés-là. Quand on parle d'ethnie, quand on parle de tribu, c'est en fait lié à ces préjugés racistes, lié à la question de l'esclavage et à la colonisation. Et donc moi, je préfère utiliser des mots qui n'ont pas ces connotations euh, liées au racisme. Sur la question euh, du néocolonialisme, il y a une vraie question sur la manière dont on peut penser les relations qu'ont aujourd'hui la France et le Niger. Et si on est honnête avec soi-même, on ne peut pas se cacher que la colonisation a une grande part dans ce qui nous lie encore entre le Niger et la France, et qu'une partie des attitudes, des manières de penser euh, de, des Français, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient euh, en général euh, ben, tous, nous tous Français, nous est encore liée à la, à la colonisation et dans, à la manière dont nous avons perçu les sociétés, euh, notamment du Niger, euh, pendant la colonisation. Donc je pense qu'en analysant concrètement et en acceptant de regarder ce passé violent, difficile en face, on peut peut-être arriver euh, à dépasser ça et à construire d'autres relations entre nos deux pays. Comment donc réveiller donc les sociétés, l'opinion publique pour qu'il y ait un vrai changement dans la société actuelle On pourrait par exemple parler d'un certain nombre de sujets qui sont très tabous euh, ici, mais qui construisent encore euh, les sociétés, notamment la question de l'esclavage, qui est une question qui, qui perdure encore très fortement euh, à l'intérieur de, des sociétés du Niger. Et accepter d'en parler, de regarder en face ce passé qui est douloureux pour beaucoup, mais de dire, voilà, si on veut sortir un jour de ces relations qui sont marquées par l'esclavage, il va falloir mettre les choses sur la table et en parler. je pense que c'est la même chose en France. Je pense qu'il faut clairement en France qu'on affronte notre passé colonial, ce qui est encore très difficile. Hein, grand nombre de gens sont, sont nostalgiques ou alors n'admettent pas les horreurs qui ont été faites pendant la colonisation. Et je pense que c'est pareil, il faut mettre les choses sur la table et affronter euh, ce passé qui est douloureux, en parler. Et en en parlant, euh, certaines choses se dénouent. Déjà, euh, les gens qui ont été victimes sont reconnus comme victimes et ça, ça, ça change les relations sociales qu'on peut avoir. Donc j'espère qu'en France, comme au Niger, <laughs> les choses iront vers plus d'acceptation et de confrontation avec ce passé. Comme vous, vous avez eu, professeur Jiboua euh, pour vous guider euh, dans vos recherches ici. Comment pensez-vous être une, une Jibo Amani pour d'autres étudiants, d'autres doctorantes euh, ici à l'avenir ah bah, C'est exactement ce que j'espère être, ou en tout cas j'aimerais faire honneur à tout ce que par exemple il a pu me donner. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance ici, mais je peux citer d'autres professeurs qui, m'ont aidé aussi, comme Amoudou Jibo, qui est aussi aujourd'hui ministre de, de l'enseignement et de la recherche, mais un grand nombre d'autres chercheurs euh, qui ont été très importants ici. Il y a une, communauté d'historiens ici, euh, il y a aussi euh, de, docteurs, et avec lesquels j'ai toujours énormément appris, avec lesquels le dialogue a toujours été extrêmement riche. Et j'espère maintenant que, effectivement, que je peux diriger des thèses en France. J'espère que je pourrai accueillir des Nigériens et des Nigériennes qui voudraient venir aussi. Parce qu'un des grands enjeux, c'est aussi qu'une partie des archives qui concernent le Niger sont en France et qu'il va falloir continuer à écrire cette histoire ensemble et en faisant venir notamment euh, des doctorants et des doctorantes pour qu'elles puissent euh, aussi consulter les archives de leur pays qui sont euh, en France. Famille Lefebvre, merci beaucoup. Merci à vous.